Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Gagné Gagné Ouais, nous sommes des vainqueurs contre la Covid-19, ladies and gentlemen. Vous le savez, nous consacrons régulièrement sur notre émission Tous à la Fadam une rubrique spéciale où nous recevons des artistes engagés contre la Covid-19. Cette semaine, nous accueillons une jeune artiste qui vient de faire son entrée dans la musique par la grande porte. Et oui, notre invité d'aujourd'hui vient de remporter un grand concours musical qui avait pour thème la Covid-19. Il était une fois une maladie infectieuse qui a vu le jour en Chine dans la ville de Yuan. De l'Asie à l'Europe, de l'Europe à l'armée, de l'Amérique en Afrique, d'épidémie à pandémie. Il a créé la mort des milliers de personnes à travers le monde, créant le chaos dans l'économie du monde créer le chaos dans l'économie du monde. Et puis aujourd'hui, nous allons euh, bien évidemment mettre la Covid au chaos, comme on dit musicalement parlant. Et oui, notre invité d'aujourd'hui vient de remporter un grand concours musical qui avait pour thème la Covid-19. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour demander plus de détails avec nos organisateurs ou les organisateurs en question de ce concours qui accompagne aujourd'hui l'artiste je la ah, ben, bon, bonjour, bonjour. monsieur Dandy bon, je être la forme, la forme, la forme, Alors pourquoi vous avez choisi comme thème euh, La Covid-19. Voilà. En fait, euh, la Covid-19, euh, tu sais, le, le label Artistic Records, c'est un label vraiment constitué d'un ensemble de jeunes motivés, engagés pour le développement de la société. Mm-hmm. Donc les thèmes imposés ou bien les thèmes proposés à chaque compétition. À chaque passage des artistes, c'est des thèmes bien réfléchis par mhm. ces jeunes, des thèmes proposés et des thèmes d'actualité. Étant donné que la Covid-19, c'est un fléau qui menace la communauté. Et qui est d'actualité aussi. Voilà, effectivement, c'est notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice. Euh, parce que cette, cette mission nous incombe tous. Chacun doit apporter sa contribution pour que nous puissions vraiment pousser hors de la communauté humaine. Uh-huh et ce fléau qui mine notre communauté, la société humaine. Tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons donner toutes les conditions pour donc recevoir de la lauréate tremplin Jeune Talent 2020. Marie Diallo, je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Ça va, je vais bien. Tu pètes la forme Ouais. Et ne pas qu'il en crédit, Boussa. <laughs> gagné. Voilà, donc du coup, concours de Ninon gagné Claire <laughs> Alors, Famandi, dit, qu'est-ce que tu veux dire par Il était une fois la Covid-19 chantée au tremplin Cette chanson qui t'a permis d'être lauréat tremplin Jeune Talent 2020 pour commencer, mhm. il était une fois Covid-19. C'est d'abord une maladie qui est d'actualité. Bien sûr. C'est une maladie qu'on vit euh, au quotidien, qui se passe euh, euh, à la télé, matin, midi, soir, on est là, à l'écoute, on ne fait que parler de Covid, Covid, Covid, et puis voilà, je me suis inspiré de ça. Tu t'es inspiré de ça, tu as suivi les informations, tu n'as pas tenu compte des fake news. Hein? Et dans ta chanson, on ne trouve que euh, tout ce qui est d'actualité et ce qui est surtout vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson dis euh, je raconte d'abord d'où le virus a vu son jour. Mhm de l'autre côté de la Chine, de l'Europe et de comment ça s'est propagé partout en Afrique, à l'Europe, en Amérique, ainsi de suite, et les dégâts qu'il a aussi causés. Voilà un peu comment j'ai vraiment parlé de, de, ce thème qui est Covid-19. Nous revenons pour finir avec la lauréate Marie Diallo. Gagné ah, tout ce qui va Alors aujourd'hui, tu es kiffé par les jeunes parce que les jeunes aiment déjà ce fais Ils t'ont suivi à travers les réseaux sociaux, à travers donc cette finale et du tremplin Jeune Talent qui s'est tenu au CCFN Jean Rouge. Alors quel serait ton mot à l'égard de toute cette jeunesse euh, qui kiffe cette émission à travers nos 45 radios partenaires La jeunesse qui est connectée depuis Aranès, depuis Difa, depuis Tawa, Dosso, Tilaberi, Niamey, Kolo, Torodi, Sai, Niamey, ses environs. Eh, quel serait ton message à leur égard, Marie, en tant que jeune en tant que jeune, je passe un message, à, tout, à toute la jeunesse que le Covid-19, COVID-19 c'est vraiment une réalité, c'est vraiment un virus qui est là, qui tue des milliers et des milliers de personnes par jour. Vraiment, ils n'ont qu'à prendre, apte, euh, on dit, apte de, tout ce qu'on dit, de tous les messages qu'on passe à la télé. Prendre sur les, comme dit la Prendre les, mesures de distanciation, laver les mains, porter vos bavettes, et voilà, il serait en sécurité. en toi et moi, déjà 2 mètres entre toi et Alain aussi de mètres. Donc, du coup, on peut se dire que nous, nous respectons déjà les gestes barrières, la distanciation sociale. Et on s'est lavé les mains avant ah, d'avoir franchi les portes. <laughs> Euh, Alors, on va finir avec quelques flots venant de toi. Tu vas choisir un son qui te va bien, que tu vas poser tranquillement sur ce beat, parce que j'aime bien cette partie de l'émission. Nous <laughs> sommes jeunes et notre source d'inspiration, c'est la musique. Okay. Gagné Amboussa. Ok. Nombreux sont ceux qui sont devenus fous. Nombreux sont celles qui sont devenues folles. Yeah. La vérité, négro, on va bien le dire. Le pays va mal, la jeunesse aussi. Yes. Munakuka Kulumi Babu Echi. À cet allo, on ira tous en exil. Je plus cette vision que j'avais à l'époque. On se perd dans le noir, on se noie dans nos rêves. Voilà. <laughs> <laughs>